Bonjour. Ça va, monsieur Tu es ici Oui. Je voulais acheter 27 CD. De Wally 5 De Wally Ah, vous connaissez Wally <laughs> Ça, ça fait plaisir, ça. J'en ai besoin 27. J'en ai besoin 27, 27 CD mais je d'abord. je sais où Jean-Marie les a Bonjour. Bonjour, madame. Ça va J'ai acheté 27 CD. Je la facture et tu me le dessus. Ah, <laughs> en tout cas, depuis, euh, ça fait 2007 que je suis là. Uh-huh. J'en ai eu de, euh, de grosses ventes. Ah bon Ouais. Par rapport même à Fali Poupa, mais là, euh, franchement, vous avez fait, euh, vous avez fait, euh, vous avez fait fort. Hein. Depuis 2006 tu es là. Ouais. À part Fali Poupa, tu n'as jamais fait une vente comme ça. C'est normal, c'est le roi de la musique africaine. je moi, je l'ai viens de la Gambie, moi, je l'écoute tout le temps. Hein. Machallah. C'est le roi. Sénégal, on est pareil. C'est le roi. Ah ouais. le roi, c'est le meilleur. J'ai peur qu'il va détrôner aussi Youssou hein. Ah mais oui, c'est le roi de la musique africaine et le roi de la musique malach du Sénégal. C'est lui. Bah, je le souhaite en tout cas qu'il détrône Youssou hein, parce que Youssou c'est vrai, là en ce moment il est indétrônable mais Wali là, Inch'Allah. S'il continue comme ça, il va le détrôner. Non, hein. c'est déjà fait, c'est déjà fait, ah. c'est déjà fait. En tout cas, il a pris la relève de son père, machallah. Ah mais oui, machallah. C'est bien. Machallah. C'est bien, c'est bien, c'est Machallah, je suis trop content. Ok, ça prend 200... 269 Ok. Et merci à Pascal, hein, parce que c'est Pascal qui fait le nécessaire en plus. Faire les coms et tout, tout ça. Rien à dire. Merci, c'est gentil. Voilà. Merci, c'est gentil. jërëjëf jërëjëf Alaaji Pascal tubaab bërëb la xam jërëjëf chef, bi yal na yàlla fay yow euh, maa ngi fii ci FNAC bi kuy digle sangu da ngay sangu ba noppi munu ma di woo sénégalais yi ak faramaare yi nii ci dem jënd CD bi ba pare toog di xoole di yoori lex ak di taabi nopp su ma ko defee dama gor ak fi ma jaar ak président ak li ma defal su ma ko defee war naa ko moo waral dama ne man sama jëm bopp damay jënd man samay CD yóbbaale Sénégal muy sama sëriñ moo waral ma ñëw bind 27 CD reçu baa ngi nii 27 CD laa jënd li waral nag chiffre 27 mooy su ma diggante ak président Waly baatin bi ci set la taxawee moo waral keroog ma ne ci télé bi danaa ko bëgg nga ci liggéeyam bi 27 ans yoo xam ne sa c'est calé c'est confirmé 27 ans yoo xam ne foo gis président Waly ba ma waroon nga taxaw ci ma di ko wax lu baax di ko joxor bi di ko jiin ak di ko baax ñu déglu benn dërëm. te nag bu ñu nee 27 day taxawee ci baatib ñaari chiffre muy 2 ak 7 te 2 boo ko plus 7 day nekk 9 mooy président Wally ak omolo benn jëmm lañu ñaari ruu bu taxawee day doon président Wally day nekk 9 waaye boo ko dëppee day nekk 6 day doon Omaro kon nag lii ma def ci album bi baatib da koy lal secret da koy lal mbiru biir da koy lal waaye benn jublu ak benn yéene laa ci am mooy ñaanal son excellence président Wally Ballago Seck mu yàgg fi président Wally dépassé naa ci ci jëmmam foo xam ne ci xam-xam loolu ma ko ñaanal ay ndam ak i victoire ak i lii ak i laa xam na ma ko ñaanal dund ndax bu dundee gudd fan yàgg fi te wépp lu as góor di am ci musique dana am lu ko raw incha allah kon nag Faramareen nañ ko buddi maa ko waxoon nañu ko buddi